le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du studio le forum 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou, qui réunit des journalistes pour analyser les principaux sujets de l'actualité. Ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est d'abord l'évolution de la maladie à coronavirus Covid-19 au Niger. L'actualité, c'est aussi l'attaque meurtrière de Boko Haram contre les forces armées tchadiennes à Bouma dans le du lac Tchad. Pour analyser euh, ces faits, nous sommes avec Hassan Boukara de la radio alternative. Hassan Boukara, bonsoir. Bonsoir. Et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Bienvenue à tous euh, dans le forum de la presse de ce vendredi que nous ouvrons par l'évolution de la maladie à coronavirus au Niger à euh, Covid-19. Les cas euh, de coronavirus évoluent au Niger. Le Niger a enregistré jeudi 18 mars dernier son premier cas de coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué. Il s'agit d'un Nigérien de 36 ans, magasinier d'une compagnie de transport terrestre euh, qui a voyagé euh, suivant l'itinéraire Lomé-Akara, Abidjan et Ouagadougou euh, sans préciser la date d'entrée du sujet sur le territoire nigérien. Un deuxième cas de coronavirus a été découvert samedi 20 mars au Niger selon le ministère de la Santé publique. Il s'agit d'un ressortissant italien âgé de 51 ans travaillant dans une ONG internationale installée au Niger à rentré d'Italie le 28 février 2020. Le troisième cas du Covid-19 a été annoncé lundi 22 mars par le ministère de la Santé publique sur la télévision nationale. Selon toujours un communiqué du ministère de la Santé, sept cas de coronavirus ont été enregistrés mardi, dont un décès. Les trois sujets enregistrés sont deux hommes et une femme, tous nigériens âgés respectivement de 63 ans, 57 euh, ans et 63 ans. Selon le communiqué, ils sont tous rentrés de France le 14 mars 2020 pour les deux premiers et le troisième il y a de cela deux semaines. Hassan Boukar, que faut-il dire ou retenir au sujet de cette euh, terrible maladie Merci beaucoup, Mokhtar. Ben, euh, on s'attendait déjà, je pense que depuis que l'épidémie a commencé en Chine et sa propagation en Europe et dans d'autres régions du monde. On s'attend à ce que ça arrive euh, chez nous au Niger et c'est bien c'est le cas, malheureusement. C'est donc euh, cette terrible maladie qu'il faut essayer de gérer maintenant. Euh, un peu partout, en tout cas en dehors de la Chine, qui apparemment est en train de contrôler l'épidémie. Ailleurs, ça progresse. on pense qu'on n'a pas encore atteint le pic. Alors, du coup, chez nous, on est très inquiet. Inquiet parce que euh, on n'a peut-être pas les mêmes moyens que les grandes puissances pour prendre en charge des cas de coronavirus. On est inquiet parce qu'on n'est pas convaincu que tout le monde euh, prend vraiment le problème à sa hauteur. Euh, inquiet aussi parce que on se demande s'il y a vraiment une bonne communication. Parce que maintenant, à défaut d'un vaccin, tout le monde dit que la solution c'est la prévention la prévention, ça suppose qu'on communique, qu'on dise aux gens ce qu'il faut faire. Alors, tout le monde dit qu'il faut laver les mains. Dans certains pays, on dit qu'il faut carrément rester chez soi, etc. Bon, ces solutions, il faut, les adopter. Partout, on peut dire aux gens de laver leurs mains. Il y a peut-être des pays dans lesquels ce serait difficile de dire, aux gens restez chez vous, parce que c'est des gens qui vivent au jour le jour. Donc, euh, ça va poser énormément de défis dans, nos pays. Euh, mais l'État peut prendre ça en charge, le, confinement euh, des populations ah, c'est plus facile de prendre en charge 30 ou 40 personnes qui sont à l'hôtel Gaoui que de prendre en charge tous les gens qui vivent au jour le jour dans ce pays. Ce sont les plus nombreux quand même. Hein. Euh, ce n'est pas du tout imaginable. Euh, je vous donne un exemple simple. À Yamé, vous avez pas moins de 4000, peut-être 4500 conducteurs de taxi. Si vous leur dites restez chez vous, est-ce que combien de temps l'État va les prendre en charge Il aura du mal à le faire non, ça va poser des vrais défis. Je pense que euh, il faut souhaiter que la maladie n'ait pas l'ampleur qu'elle a ailleurs. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut souhaiter. Euh, à un moment, on a fait croire que dans les zones où il fait extrêmement chaud, peut-être que la maladie ne pourrait pas progresser comme avant, euh, comme ailleurs. Si c'est le cas, ce serait bien. Pour l'instant, ce n'est pas confirmé. Et sinon, si aujourd'hui, cette maladie, au vu de sa propagation rapide en Italie, en Espagne ou aux États-Unis aujourd'hui, si on fait face à la même situation, ça va être extrêmement difficile ici. Parce que ailleurs, ils ont quand même un minimum de, moyens pour prendre en charge les malades. Mais on voit aujourd'hui toute la limite de ces moyens, à la fois limite de personnel, limite matérielle. Et ça montre que les pays auront du mal à faire face à cette. Est-ce que c'est à cause de ça que euh, l'OMS appelle euh, les pays africains à se réveiller, à se préparer au pire Oui, je pense que l'OMS a lancé cette alerte déjà très tôt avant que euh, les choses évoluent beaucoup déjà sur le continent pour dire qu'il faut se préparer au pire. Euh, voilà, euh, mais encore une fois, on ne sait pas comment ça va se passer, mais pour l'instant, on sait que ça progresse. Par exemple, là, sur nos voisins du Burkina, ça va vite. mais l'autre difficulté aussi, c'est que dans des pays où les gens n'ont pas la tradition d'aller dans un service de santé dès qu'ils se sentent malades, vous aurez aussi du mal à savoir combien de personnes sont, sont infectées par la maladie. Ce n'est pas la tradition, je crois, hein, dans nos pays. Lorsque les gens partent dans les services de santé, c'est qu'il y a déjà quelque chose d'extrêmement grave, ou alors ils auront épuisé d'autres voies des recours traditionnels. Donc euh, le contexte est un peu difficile. C'est pour ça que chaque fois qu'on dit qu'il y a tel nombre de personnes qui sont malades, euh, c'est vraiment officiel. On s'est rendu compte que même ailleurs, hein, vous avez par exemple des personnes âgées qui meurent dans les maisons de retraite, etc., sur lesquelles on n'a pas de statistiques fiables. Donc ici, à mon avis, ça va vraiment poser des, vrais défis dans nos pays. Mais le premier défi, c'est de convaincre les gens que cette maladie-là, elle est extrêmement grave et pour arriver à la contenir, il faut prendre des mesures draconiennes, des mesures drastiques. Je pense que le premier défi est vraiment à ce niveau-là. Issa Madougou, un activiste lanceur d'alerte, a été interpellé et placé sous mandat de dépôt à la prison civile de Niamey au sujet euh, de cette maladie. En pareille circonstance, comment bien traiter les journaux dans nos rédactions euh, euh, Merci beaucoup. Vous savez, je ne sais pas, quand il y a des situations peut-être qui concerne plusieurs pays. Quand vous voyez de la manière dont au Niger on essaie de traiter la question, c'est paradoxal. Et c'est ça qui soulève aujourd'hui beaucoup de résistance, même dans le respect euh, de ces mesures préventives, puisque c'est l'État même qui est à la base de cette rupture de, de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Comment ça, Parce que il y a maintes reprises, combien de fois on va, Si on veut les étaler ici, on ne va pas <laughs> finir de les étaler que l'État prenne des décisions, qu'au finish, les gens se rendent compte que vraiment c'était une décision inutile, qui ne concourt pas à l'épanouissement ni au bonheur du peuple. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, certes, parce que c'est une urgence sanitaire. On n'a pas besoin de faire étaler des morts pour faire comprendre aux gens, mais ils sont quand même dans leur droit de le faire, ces réflexes-là. Il faut leur accorder ça, puisque nous avons subi plusieurs fois mais quand même, c'est la manière de communiquer et de passer le message. Dès qu'on a commencé à, <clears throat> parler, on, montre la chicote. Par exemple, le cas Kaka, merci à la justice, euh, il a été libéré euh, hier jeudi. Donc, euh, moi, je pense que condamnation de trois mois de ceci avec un franc, si je ne me trompe pas. symbolique. Hein. symbolique. Je crois bien qu'il est parti passer des jours en prison à cause de l'injustice. mais, mais est-ce que, parce que, en pareille circonstance, est-ce qu'il y a des manières de traiter euh, des informations dans nos rédactions Même en Chine, il, on a permis la contradiction. La Chine de Xi Jinping actuelle, qui a laissé la contradiction aujourd'hui euh, dans, ce, dans la, gestion de cette euh, catastrophe sanitaire, pourquoi pas chez nous Permettre que les esprits qui s'expriment qu'il y ait ce choc d'idées pour pouvoir trouver une solution. Aujourd'hui, c'est quand on veut traiter, on est obligé aujourd'hui. Il n'y a pas un secteur qui n'est pas impacté. On est obligé de faire des, sujets vraiment à 100%. En grande moitié, nos journaux sont consacrés à cette épidémie. On s'active dans la sensibilisation. Aujourd'hui, on est, on est obligé, de part du service public qu'on doit rendre, on doit faire des réaménagements des émissions de sensibilisation. des, émissions de sensibilisation, des Est-ce qu'on est obligé de passer par le ministère de la Santé publique pour euh, sensibiliser, pour ben, la façon dont le gouvernement est en train de gérer sa communication, on est obligé de passer. Mais je vous assure que c'est pas facile de les avoir. Se communiquer, aujourd'hui, on devrait créer euh, un hub d'information dans un lieu où tous les journalistes, ce n'est pas seulement au ministère, qu'il y ait chaque jour un point de presse où tout le monde peut venir à telle heure, on sait, on fera le point de la situation. C'est quand il y a de l'information saine qui est distillée à temps que les gens sont informés. Mais la communication à sens unique, euh, par exemple aujourd'hui, euh, c'est uniquement sur la télévision nationale. Je ne suis pas contre pour dire que non, mais je sais que... J'ai vu quand même le ministre sur certaines mm. chaînes de télévision, sur certains plateaux. sur certains plateaux, mais il ne peut pas le faire à tout moment. C'est pour cela qu'on aurait pu trouver un moyen pour qu'il y ait par exemple par jour, deux fois. Ou bien faire le point une seule fois. À la fin de la journée, à 18h, on fait le point. Ou bien on essaie. Il y a toujours des, mécanismes à trouver. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, la situation face à laquelle nous faisons face, c'est bien, il faut, il faut, il faut ce qui est en train d'être fait, il faut encourager. Parce qu'il y a des réalités qu'on n'explique pas aux Nigériens. C'est la communication, on dit il y a la résistance. Le Nigérien n'est pas tutu. Moi, je suis contre ce que les gens qui propagent pour dire que le Nigérien est tutu. Non. Le Niger a besoin d'assurance. C'est dans la communication qu'on a raté. Il faut que parfois dans la communication qu'il faut, il faut faire, il faut donner, il faut donner des assurances. Il faut convaincre la personne. Aujourd'hui, dans cette maladie qui plonge, oui, qui comment, comment, amener la population à, être convaincue de la maladie Je donne un exemple. Par, exemple, le Covid-19. Tout le monde sait que c'est une maladie qui gère grippe, qui attaque euh, la respiration. Mais moi, je ne suis pas scientifique, mais je l'ai entendu toujours les gens dire, OK, ça, voilà, telle catégorie de personnes, ce sont des porteurs sains qu'on devrait éloigner des personnes âgées. Mais ça, ça peut attaquer toutes les catégories. Mais les personnes âgées sont les plus exposées. Alors, on fait un lien avec les réalités sanitaires de notre pays. Boukhar l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas dans les réalités de nos, de nos, de nos compatriotes, beaucoup de nos compatriotes, d'aller dans les centres de santé. Alors que cette maladie vous plonge à réanimation. Vous l'avez entendu, le Premier ministre, il a dit 11 lits de réanimation. Alors si on a 15 malades, <laughs> qu'en est-il des autres 4 cas C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est pour cela qu'ils devront respecter, faire tout pour éviter de contracter la maladie. Parce que vous n'avez pas de prise en charge. Aujourd'hui, c'est qu'il y a un laisser-aller. Même c'est ça que moi je pense que dans cette situation, qu'est-ce que le gouvernement a l'obligation de faire Leader d'opinion, sans distinction de mais Le gouvernement le fait. Les leaders religieux. Non, mais c'est pas. Est-ce qu'on a regroupé, on a dit, OK, tous les, les bonnes volontés Par exemple, ce qui s'est passé à Zender je fais une petite discussion sur ce qui s'est passé à Zandera, Dungas et à Myria. Vous savez très bel et bien que Ousmane a un aura. Est-ce qu'on est parti solliciter Ousmane à sensibiliser les gens Est-ce qu'on aura besoin de, non, non, non, mais ici, non, eh, mais attendez, Kaka, quand il a fait sa publication, où est le mal On est parti, on a pris l'innocent, on l'a mené à la PJ. Pendant des jours après, on l'a mené à la maison d'arrêt. Zurkaleni, pour juste avoir dit de façon scientifiquement de son domaine. On l'a pris, on l'a mené à la PJ. Mais bon sang, vous pensez qu'aujourd'hui, même la sensibilisation, moi j'en ai rencontré des jeunes qui sont en train de préparer. Mais c'est quoi leur inquiétude Ils veulent aller vraiment en respectant les mesures préventives, les consignes, un maître pour sensibiliser les gens. Ils vont s'arrêter. Ce n'est pas des sensibilisations de masse, mais quand même, ils vont aller ils vont, euh, à, travers des relais. Mais ils ont peur parce que pour eux, est-ce que s'ils veulent, moi je les ai dit tout simplement, écrivez, informez-les. Comme ça, si vous aurez une réponse, ce que vous, êtes, vous voulez faire, c'est vraiment une bonne action. Voyez-vous, c'est tous ces, ces genres de comportements qu'il faut dénoncer dans ça. Parce que là, aujourd'hui, on a vu, les mesures, il ne suffit pas, mais c'est facile, c'est très, très délicat. Hein. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte que on a cette résistance. Moi, à mon humble avis, c'est qu'on a des pays qui, des pays qu'on a presque les mêmes réalités. Et quand on voit les mesures qu'ils sont en train de prendre, on se demande finalement, en quoi ces pays nous dépassent En quoi ces pays nous dépassent pour prendre ces mesures Depuis l'annonce de 1 milliard d'ajouts sur plan de... C'est quoi un milliard Le Mali n'a même pas un cas. Ils ont, projet, ils ont mis 6 milliards 300 millions dans la lutte contre le coronavirus. Vous, pensez que ce pays au Niger Mais au Niger, on a, on a, a dit 1 milliard. Depuis l'annonce de 1 milliard, qu'est-ce qu'on a dit encore À part donner. regardez la manière même dont on est en train de gérer la communication. On prend des jeunes prébandiers pour lui dire que non, ce sont des influenceurs sur le. Quel influenceur C'est l'argent public que vous donnez pour aller insulter les gens. Quelqu'un qui n'est même pas capable de changer dans son comportement. Moi, j'ai vu, j'en ai vu plusieurs à Niamey qui refusent même de se laver les mains en rentrant dans des lieux. C'est vous, c'est ce genre de gens. L'argent, là, on devrait. Je vous assure, moi, c'est que je crains. Que Dieu nous donne vraiment la foi de pouvoir s'y porter et que nous donne les moyens de avoir faim. Ce qui me réjouit dans cette affaire pour le continent africain, je vois les chiffres, les morts. On peut dire que Dieu merci. Si vraiment on n'a pas cette courbe qui est en train de monter, c'est bien. Mais ce que, qui m'inquiète, il ne faut pas qu'à la fin de ça, de cette malheureuse histoire de l'humanité qu'on va nous parler de covid au Niger. La région de Niamey veille au strict euh, respect des mesures préventives édictées par le gouvernement dans le cadre de la riposte euh, contre le Covid-19. Euh, selon le gouverneur, les forces de l'ordre sont présentes sur le terrain et en cas de refus d'observation de ces mesures, les coupables feront l'objet d'arrestations. Hassan Isaka Karanta est interrogé par Diallo Mariama Akenda. Nous avons à cet effet mis en place des patrouilles mixtes, c'est-à-dire composées de la police, de la gendarmerie, de la garde, qui circulent dans Niamey pour voir si X a ouvert son débit de boisson, etc., etc., et on ferme. Jusque-là, c'est ce que nous sommes en train de faire, en privilégiant le dialogue et la sensibilisation. En cas de résistance, nous n'hésiterons pas à interpeller les récalcitrants. Au regard de ce qu'on vous donne comme retour, est-ce que cette population nigérienne aujourd'hui s'accommode, accepte ces mesures Je sais que la population nigérienne est difficile d'esprit, mais elle commence à prendre le pas, à s'accommoder, parce que dans un premier temps, les gens ont dit que c'est faux. C'est l'observation de ces mesures seulement, plus les prières qui peuvent préserver le Niger de cette calamité. Hassan Boukara, malgré les appels des autorités, les ulémas et les leaders chrétiens invitant les fidèles musulmans à éviter les regroupements, les prières collectives et rester chez soi pour prier. Certains Nigériens ne semblent pas appuyer à cette euh, demande. Euh, comment expliquer de tels comportements Bon, je pense que euh, normalement les Nigériens, c'est bien raisonnable. Si vous dites à quelqu'un, si vous partez à tel lieu, vous prenez une maladie qui peut à terme vous tuer, à mon avis, c'est une information assez claire. Mais derrière tout ça, derrière ce qui paraît assez simple et logique, il y a tous les défis de la communication qui ici vient de développer. En matière de communication, quelquefois le porteur du message compte aussi bien que le message. Vous avez des gouvernements qui sont habitués à communiquer, euh, auxquels les gens ne font pas beaucoup confiance. Les mêmes personnes reviennent dire les choses, euh, même des choses, euh, des bonnes choses dites par des personnes auxquelles les gens n'ont pas confiance, les gens peuvent douter. C'est un peu ça. Avec les religieux, c'est quand même. Euh, il y a beaucoup de passifs qui n'ont pas été soldés depuis 15-20 ans. Euh, la plupart des communications des dirigeants, les religieux doutent de ça. Vous, voulez dire que les citoyens nigériens ne font pas confiance euh, à, certains leaders religieux Pas les religieux. Je veux dire que les religieux, il y en a beaucoup qui, qui doutent du gouvernement parce qu'ils considèrent que certaines décisions du gouvernement sont dictées de l'extérieur Parfois, elles sont dictées par des chrétiens, par des juifs, elles sont dictées par l'argent. Vous voyez bien toutes les décisions qui ont été prises sur les questions du droit de la jeune fille, de la femme. On est quand même dans ce contexte-là. Et donc, lorsque vous dites à des gens dont, auxquels peut-être l'une des rares choses qui reste dans ce pays, c'est quand même la religion, le rapport à Dieu, quand vous leur dites ne partez pas à la mosquée, vous leur demandez quelque chose d'extrêmement grave. Mais il faut le faire parce que c'est quand même de la survie des gens qui les questionnent et donc, ça suppose qu'il faut d'abord comprendre, contrairement à ce que dit le gouverneur de Niamey, non, c'est facile d'amener des policiers à la pilule pour dire qu'aucun enfant n'arrive. Mais vous parlez de changer de comportement, des habitudes, dire aux gens de ne pas serrer la main de votre voisin, de ne pas aller à la mosquée, de rester à la maison. Vous demandez des choses extrêmement importantes. Et du coup, vous devez comprendre ce que ça coûte aux gens de le faire et prendre les mesures pour beaucoup communiquer. Parce qu'on ne crée pas une habitude en un jour, ce n'est pas possible. On ne crée pas une habitude en un jour. C'est tout, un processus. C'est tout un Alors, ce qu'on demande aux gens, c'est de changer des habitudes. Ça va prendre du temps. À mon avis, les gens aiment bien les méthodes fortes. J'ai demandé à la police, j'ai dit à l'arme. Ça, c'est les méthodes fortes. Non, il faut faire ce qui coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est le travail patient de communication. Si vous prenez le Conseil islamique ici, vous dites au Conseil islamique, OK, prenez une décision, empêchez aux gens de prier. Ce n'est pas la même chose que si vous faites toute une campagne au plan national, vous rencontrez les leaders religieux partout pour leur dire écoutez, voilà ce qui nous guette, il y a des difficultés, il faut qu'on prenne des décisions. La preuve, il y a des moments où ils disent aux gens on va fêter tel jour, vous savez bien que ce n'est pas tout le monde qui le respecte. Et donc, à mon avis, il y a un vrai défi de communication. Et ce défi de communication ne sera pas réglé par les méthodes fortes, non. Ce qu'on demande aux gens, y compris dans leur maison, quand il n'y aura aucun policier en patrouille, on veut qu'ils soient qu'il ait un comportement responsable, exemplaire, qui évite la propagation de la maladie. Ça, vous ne pouvez le régler que par une communication laborieuse et lente. Ça va prendre du temps. Et donc, ce qui se passe, il y a beaucoup de gens. Je pense qu'il y a des gens euh, qui, doutent encore. Hein. Vous et moi, quand on parle, on regarde la télévision. Quand on regarde ce qui se passe en Espagne, en Italie, en Chine, on est inquiet. On ne veut pas que ça arrive ici. Vous avez des gens, ce n'est pas leur quotidien. Il y a des gens, j'imagine les gens dans les villages. Euh, certains peuvent parfois écouter certains médias internationaux, mais ce pas des gens qui sont assis devant la télé. Ils ne voient pas les choses graves. Rendez-vous compte que dans les pays européens, la maladie a pris aussi beaucoup d'ampleur parce qu'au début, on avait du mal à convaincre les gens. On disait aux gens de ne pas aller dans les cafés de ne Donc, est-ce à dire que dans ces pays, les gens ont sous-estimé la maladie Je pense que les gens ont dû sous-estimer au départ. Euh, ils ne s'attendaient pas à une maladie qui a une telle vitesse de propagation. Et du coup, les gens ont continué les habitudes. Et puisque ça prend une dizaine de jours, 14 jours, pour que la maladie vraiment euh, se manifeste, chez les gens. Et donc, avant que les gens ne soient véritablement convaincus qu'on a en face quelque chose d'extrêmement grave, ça a pris de l'ampleur et beaucoup de personnes étaient contaminées. Et c'est pour ça que en un jour, on a 200, 400, 600 décès, comme en Italie ou en Espagne, etc. Et donc, ici aussi, pour l'instant, les gens ne voient pas des gens qui meurent, etc. Malheureusement, hein, euh, malheureusement, vous aurez des gens qui ne croiront que lorsque les choses auront atteint un niveau grave. Les pouvoirs publics sont normalement dans leur rôle de dire aux gens, attention, il y a danger, attention, faisons. Mais il y a une démarche, il y a une méthode. Je pense que on peut faire des choses, mais en disant aux gens, il y aura la patrie, sachant bien que on ne peut pas avoir la patrie en même temps dans chaque quartier. On n'aura pas un policier derrière chaque Nigérien, même chaque habitant de la mm-hmm. capitale. On ne peut pas le faire. À mon avis, il faut vraiment privilégier la communication. Et comme Issa l'a dit, je pense qu'il faut mettre à profit tous les médias. Il faut mettre à profit les leaders d'opinion les leaders religieux. Il faut aller parler avec eux. Selon Issa, il faut aussi prendre langue avec euh, les leaders de, l'opposition politique. Mais, mais, mais, mais je dis tout le monde. il faut prendre tout le monde d'abord il, faut, il faut quand même rappeler aux gens qu'on a en face quelque chose d'extrêmement grave, pour lequel, pour l'instant, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de médicaments. Et donc, notre survie est liée à notre capacité, quand même, en peu de temps, à faire au moins ce qu'on appelle les, pratiques barrières, les normes barrières, laver les mains, etc. Il faut que toutes les personnes capables aujourd'hui de faire passer un message, il faut le faire. Regarde la façon dont le gouvernement communique. On dit, on verra toujours le ministre de la Santé. Et la boîte du domaine, on verra en lui un acteur politique. Par exemple, les techniciens euh, qui sont dans les services de santé, regardez ailleurs. Euh, aujourd'hui, quelqu'un qui vient avec sa blouse dans un service de santé face aux malade qui communique devant les caméras est beaucoup plus écouté qu'un homme, un ministre habillé en homme politique, assis tranquillement dans un studio de télévision. Ce n'est pas la même chose, tous ceux qui communiquent le savent. Et donc, la communication aussi, je suis désolé, euh, du fait du coronavirus, l'État ne peut pas récupérer le monopole de communication qu'il a perdu depuis que les réseaux sociaux sont arrivés. Il ne peut pas récupérer ce monopole de la communication. Il l'a perdu, je suis désolé. Pour les journalistes, par exemple, qui communiquent, là, j'ai répondu sur euh, un aspect qu'il s'est évoqué. Non, écoute, à mon avis, le rôle d'un journaliste, quand il a une information, c'est de la vérifier et d'être vraiment en norme avec les règles de travail de son, de son métier. S'il est convaincu qu'il a vérifié, je pense qu'il doit le diffuser. C'est quand même un risque de travail des journalistes. On prend des risques. Kaka, euh, il a pris un risque. Pour lui, le plus important, c'est de jouer son rôle. Et aujourd'hui, beaucoup de Nigériens sont convaincus qu'il a joué son rôle. Il a diffusé une information qui n'a jamais été démentie. Il a dit il y a un cas à risque. L'hôpital de référence a fait un communiqué au Baudu on n'a pas de cas confirmés il ne demande pas ce qu'il dit. Lui-même, il a dit un cas suspect. Il a dit qu'il y a un ah cas suspect. il n'a pas confirmé. Il n'est pas médecin, il n'a pas confirmé. Et donc, à mon avis, aujourd'hui, la communication doit aussi être faite. Les pouvoirs ont toujours tendance à, contrôler la communication. On dit qu'ils ont horreur de ceux qui ne contrôlent pas. Or, aujourd'hui, ils ne peuvent pas contrôler la communication. Il s'agit de la vie des gens il s'agit de la vie des gens. On ne peut pas tous se fier juste à la communication gouvernementale. On a besoin d'entendre les spécialistes dans les hôpitaux, etc., qui parlent, qui disent aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé. Regardez, euh, en Europe, là où les choses sont difficiles, c'est quand même les professionnels qui disent, on n'a pas de matériel, on n'a pas de masque. Euh, il y en a qui vous disent, on a été contraint de refuser des malades qui sont arrivés parce qu'on n'a pas où les mettre, il n'y a pas de place. Ça, c'est les techniciens qui le disent. Et c'est plus convaincant pour la population. Regardez, là, j'ai eu des sondages aujourd'hui en France. Les gens ont dit, un gouvernement qui communique au quotidien, les gens disent, ils n'ont pas confiance à ça. Et les gens ont dit qu'à plus de 80%, ils sont inquiets de cette maladie. Mais chez nous, qu'on ne nous dise pas, il y aura une personne qui viendra tous les jours parler. Ce n'est pas acceptable, dans mon avis. Issa Madougou, euh, quelles sont les attentes, les véritables attentes des Nigériens dans le cadre de la prévention, la gestion et la prise en charge de la maladie Mais d'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure dans mes propos, c'est l'assurance. Il faut, il faut l'assurance. L'assurance, ça veut dire quoi l'assurance selon toi Qu'est-ce que tu veux à, dire que les autorités ne, sans langue de bois, que les autorités en communiquant, qu'ils trouvent à dire vraiment la vérité aux Nigériens. Il suffit pas que euh, le. Vous, avez le sentiment que le hmm. gouvernement vous cache quelque chose Non, ce n'est pas que le gouvernement cache, mais le gouvernement communique mal. Même pour dire la vérité, le gouvernement ne sait pas le dire comme il le faut pour convaincre les Nigériens. Moi, je suis contre cette manière. on peut créer. Vous avez vu dans les autres pays comment ça se fait la communication et comment les gens sont en train de travailler dur il faut, on, est dans un pays où, qui regorge beaucoup d'intellectuels et d'espères. Pourquoi ne pas mettre à profit tous ces gens Est-ce qu'il suffit, quand, on veut créer un comité, il faut prendre un tel, un tel parce qu'il est du domaine Mais il y a des gens que vous, avez beau les placer à la tête, ils vont convaincre. Même un mouton, il ne peut pas le convaincre. Je suis désolé. Mais il faut que on comprenne une chose. Cette maladie, c'est vrai, elle est grave. Elle est là, elle, c'est le danger. On n'a aucune garantie aujourd'hui si on contracte cette, maladie de voir demain. Comment rectifier le tir, Issa Dougou? Comment il faut faire rapidement Écoutez les gens, écoutez ce que les uns et les autres sont en train de dire. Mais est-ce que ça arrive même à ce comité Est-ce que ça arrive même à ce comité Il faut communiquer, mais ce n'est pas les sensibilisations. Vous n'avez pas besoin de prendre telle personne. Vous pouvez, c'est comme la mise en œuvre des projets de développement dans nos contrées au Niger. Où on vient, c'est les mêmes relais qui sont toujours sollicités. C'est normal. Vous avez fait une, deux, trois projets, ça n'a pas réussi. Il n'y a pas de résilience par rapport aux euh, des populations dans la mise en œuvre. Mais changez quand même. Aujourd'hui, il faut aller trouver. Par exemple, moi j'ai vu quelqu'un, c'est une anecdote, c'était avant-hier quelqu'un me disait Ah, cette maladie, c'est vrai. J'ai dit Mais pourquoi toi, tu me disais que non, c'est une maladie inventée Il m'a dit Non, non, non, non. J'ai vu, euh, comment on appelle, euh, notre chèque en train de parler de ça. Voyez-vous Donc, il y a des personnes clés qu'il faut cibler. Qu'il faut cibler, qui peuvent véhiculer ces messages et qui peuvent convaincre. Aujourd'hui, c'est ça. Parce qu'il faut convaincre d'une manière rationnelle pour faire comprendre aux gens que la seule manière de rester en vie, c'est d'adopter ces mesures préventives ces mesures préventives, en les respectant scrupuleusement, vous allez vous protéger et protéger votre entourage. Mais c'est qu'il y a le danger que les gens ne refusent de comprendre. C'est Niamey qui constitue le danger pour les autres régions. Comment ça Parce que c'est à Niamey qu'il y a du tout. Depuis le 14 mars jusqu'au 19, il y a des gens qui sont venus d'Europe. Ça à dit la responsabilité de comprendre que moi, je devrais être sûr de mon état avant d'approcher des gens. Dieu merci, on sait qu'il y a des gens qui sont, ils sont, ils sont la maladie, mais quand même, on ne sait pas par quel miracle ça ne refuse. Mais c'est qu'il faudrait comprendre. On arrête tout. C'est vrai, c'est pas facile. Dans les autres pays, les mesures qu'ils peuvent adopter, nous, on ne peut pas. Il faut, mais il faut le contextualiser au Niger. On peut le contextualiser et ça peut réussir. Mais pour le contextualiser, il faut que l'État écoute tous les Nigériens sans distinction. Cherchez, à, on fait appel de fonds, non sur le marché <laughs> de bourse, sur euh, le marché, comment ils appellent ça Les emprunts euh, obligatoires. Euh, les emprunts obligatoires. Maintenant, faites appel à contribution des Nigériens pour apporter vraiment une solution urgente à cette situation. Parce que nous, nous avons un système de santé défaillant. On, on meurt ici de maux de tête parce qu'il n'y a pas de paracétamol dans les CSI. Parlons à présent de l'insécurité dans le lit du lac Tchad avec 92 euh, euh, soldats tchadiens tués et 47 euh, blessés dans une attaque d'envergure menée par le groupe djihadiste Boko Haram lundi 23 mars 2020 à Bouma dans le lit du lac Tchad. Selon le président tchadien Idriss Déby, cité par plusieurs médias internationaux, c'est la première fois que le Tchad déplore autant de pertes après une attaque de ce type Sedi journaliste, écrivain nigérien et spécialiste des questions du Boko Haram, explique euh, quelques facteurs ayant causé le revers de l'armée tchadienne. Il est joint au téléphone par tanan Foudé Ahmed. Un des facteurs qui explique ça, il y a deux ou trois mois, l'armée tchadienne a fait un redéploiement de ses effectifs qui étaient basés dans le lit du lac Tchad. À cette occasion, un certain nombre d'éléments ont été prélevés de l'île de Boama pour être redéployés ailleurs, puisque euh, il y a non seulement la demande du G5 Sahel de déployer des soldats dans la zone de trois frontières. Il y a aussi le front sur la frontière avec la Libye qui s'est déclaré et l'état-major tchadien a dit prélever des effectifs pour les employés là-bas. Le deuxième facteur, c'est aussi l'effet de surprise. Et ceux qui ont attaqué sont venus à bord des vedettes rapides qu'on appelle le hors-bord parce que l'endroit est une île et on ne peut pas euh, y accéder sans moyens nautiques. Et troisième facteur aussi, du fait de la difficulté du terrain, les renforts n'ont pas pu arriver à temps. Il y a enfin un quatrième argument qui n'aura pas échappé à ceux qui suivent la question. Dans la partie nigérienne, Boko Haram a posé des mines ces derniers temps vers Bosso. Ça, c'est quelque chose que Boko Haram ne savait pas faire plus aujourd'hui le caractère militaire sophistiqué de cette attaque, ça amène à considérer que Boko Haram a peut-être reçu du renfort d'autres fronts, comme on l'a vu dans le Sahel. Peut-être qu'il y a eu des éléments nouveaux qui sont venus renforcer Boko Haram pour lui donner cette capacité opérationnelle qui a fait que euh, Boko Haram s'est attaqué à l'armée tchadienne, ce qu'elle ne faisait pas avant. Mais c'est Sidik Abba, d'autres analystes font les liens entre la situation actuelle des crises sanitaires en cours dans le monde et ce qui est arrivé à l'armée tchadienne. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire ces liens-là pour ce cas précis de cette attaque-là, il n'y a pas de lien entre la lutte contre le coronavirus et le revers que l'armée tchadienne a subi. Par contre, il est indiscutable que ce soit au Sahel ou dans le bassin du lac Tchad, le coronavirus va avoir un impact sur euh, la lutte contre le terrorisme, sur les stratégies militaires, parce que euh, aujourd'hui, euh, le souci majeur, c'est préserver d'abord la santé des soldats avant de les envoyer au front. Issa Avez-vous d'autres informations sur la nature et les modes opératoires de cette attaque euh, de Boko Haram contre les forces tchadiennes À première vue, euh, après ce, massacre, dont je présente mes condoléances aux familles des disparus et prompt rétablissement établissements blessés parce que le Tchad, c'est un pays frère euh, où nous tenons des bons rapports. Ça vient de dire ce que les gens sont en train de dire depuis un temps que Boko Haram est affaibli parce qu'il y a une guerre de leadership entre Barnawi et C'est pas, je me demande combien de fois les gens ont eu à le dire qu'il faut faire extrêmement attention. Que ce soit dans le Sahel, que ce soit Boko Haram, il y a des gens qui étaient dans des camps d'entraînement djihadistes en Libye qui sont descendus. Donc il faut s'attendre maintenant à vraiment à une intensité incroyable de combat de tactique qu'ils vont adapter. Ils sont venus en vedette, ce qui veut dire qu'ils ont reçu du renfort de matériel. Et quand vous voyez les images de l'attaque, que ce n'est pas le genre d'attaque de Boko Haram où les gens viennent, mais c'est des gars qui savent faire la guerre qui sont venus. De la manière dont ils ont massacré eh, l'armée tchadienne, c'est des gens qui sont bien armés et qui connaissent les tactiques de guerre. Ça n'a pas été pensé. C'est vrai, ce que Sidi a dit, c'est comme ça. Ils suivent de près l'actualité. Et s'attaquer à l'armée tchadienne, c'est ça. Ils suivent l'actualité de Ils savent qu'il y a eu un redéploiement. Ils ont réussi parce que pour eux, il faut prendre, il faut détruire Boma. Parce que quand ils, vont détruire Boma, ils ont la capacité aujourd'hui de faire de mobilité et de contourner à tout moment par Boma. Pour, placer des mines oh, Mais oui, pour placer des mines, évidemment. Et puis, parce que vous, les gens pensent que Boko Haram est fini. Boko Haram n'est pas fini. Vous avez vu la dernière fois l'attaque de Chetimari là. De Chetimamongo. Chetimamongo. Qui se rappelle une fois que Boko Haram a attaqué en pleine journée Ça devrait dire beaucoup de choses. Que ce n'est plus le Boko Haram d'avant. Avant, ils les attaque que la nuit. Boko Haram en pleine journée venir attaquer, ça veut dire que aujourd'hui, ce qui est là, c'est plus dangereux qu'avant. S'ils sont capables aujourd'hui de venir comme ça, sans se déguiser, mais ce qui veut dire que les gens, ils sont, préparés. Maintenant, moi, je pense qu'il faudrait continuer. Tout ce, on, est en train de voir, et on ne cessera pas de le dire, toujours c'est sur l'axisme du côté nigérien. Bouhari, euh, avec ses deux, son premier mandat aujourd'hui, en ayant son deuxième mandat, qu'est-ce que concrètement il a fait Qu'est-ce que concrètement il a fait de son côté Parce que si les gens peuvent se doter de vedettes, je ne pense pas que c'est du côté du Niger, du Niger ou bien du Tchad qu'ils ont pu venir à, euh, se doter de cette vedette. Sûrement c'est de l'autre côté. Alors, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est de repenser une nouvelle stratégie pour contrecarrer les attaques de Boko Haram. Pour comprendre que ce n'est plus le Boko Haram d'avant. On est face à une nouvelle force de Boko Haram qui s'est fortement euh, euh, armée et qui a des combattants aujourd'hui aguerris qui peuvent être vraiment à l'image de nos soldats, des gens qui ont été. Parce que dans les camps d'entraînement, il y a plusieurs chercheurs qui ont vu à le dire depuis, mais les gens ont minimisé pensant que c'était des écrits seulement, qui ont dit qu'entre 2016 2017, il y a eu une vague de jeunes du Sahel et du bassin du lac Tchad qui se sont retrouvés en Libye. Tout le monde sait qu'ils ne sont pas en train d'aller chercher l'argent, puisque le pays, déjà, l'État n'existe pas. Et beaucoup ont été localisés dans la zone de Sète où il y a euh, l'État islamique les gens ont minimisé ces chercheurs, c'est comme si c'est des fous qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de raconter. Et on a vu aujourd'hui, faites attention, ces gens, une fois fini leur formation, vont revenir. Et tout ça, c'est c'est les prémices, comme on appelle, euh, d'une situation que nous ne sommes pas capables de, gérer à toute seule. Il faut ah. qu'on ait de l'appui des autres. Moi, je pense que la situation là, ce qui s'est passé à Beaumont, devrait interpeller nos autorités du, tous ces pays du bassin du lac Tchad à redéfinir une nouvelle stratégie contre Boko Haram. Hassan Boukara, euh, comment expliquer ce lourd bilan dans les rangs des forces armées tchadiennes alors même que l'opinion nationale et internationale continue encore à croire que Boko Haram est affaibli Oui, je pense que c'est ce que ça a expliqué. Ça, montre le contraire de ce que les gens affirment. Maintenant, euh, le monde dit que c'est une guerre qui n'est pas conventionnelle. C'est des unités qui peuvent s'organiser, qui agissent par effet de surprise. Euh, euh, l'armée la plus puissante au monde, si on la surprend, on peut lui porter un coup avant qu'elle n'arrive à se ressaisir. Et l'armée tchadienne reste quand même un symbole dans cette région. Rappelez-vous, il y a déjà peut-être deux ans, elle est venue traverser tout le Niger, aller porter main forte au Mali. Aujourd'hui, revient dans la zone des trois frontières. L'armée tchadienne est considérée comme une des armées les mieux préparées à, la guerre. Alors aujourd'hui, euh, pour Boko Haram, porter un coup, c'est aussi un symbole parce que quand même, ils ont beaucoup travaillé la communication, ils ont besoin de semer la terreur et tout ça. Et donc aujourd'hui, ils montrent que même une armée comme l'armée tchadienne, peut lui porter un coup. Je pense que ça fait pas longtemps, le Nigeria aussi a subi une attaque. C'est dans la hein. même semaine. Hein. Voilà, importante aussi, mm-hmm. une attaque On parle de plus de 70 euh, tués dans, les, les rangs de, donc, l'armée nigérienne. ça montre que, comme, comme Issa euh, l'a dit, la, démarche actuelle, euh, ça, ça, ça a beaucoup de limites parce que j'ai l'impression que, que ce soit au Tchad, au Nigeria ou au Niger, ce qu'on fait, on attend, euh, il y a une attaque, puis après, on engage des actions. C'est-à-dire que c'est l'ennemi qui impose les règles, quoi. C'est-à-dire que c'est eux qui choisissent les, moments où ils font des attaques. Ils agissent par surprise, ils portent un coup, après, il y a des réactions. Alors, la question fondamentale aujourd'hui, puisque euh, pour tout le monde, Boko Haram est dans ces îles du lac Tchad, c'est vrai que c'est une zone extrêmement vaste. Est-ce qu'il faut continuer chaque fois à attendre qu'il attaque avant de réagir Ou alors il faut réfléchir à une stratégie qui permet d'éradiquer totalement Boko Haram une stratégie comment laquelle Voilà. Mais c'est pas exemple les renseignements. Il faut, il faut arriver à les situer, il faut savoir. Ça fait longtemps qu'on dit que ce n'est pas une guerre conventionnelle. Mais je fais le constat. Je fais le constat que presque dix ans après le début de Boko Haram, nos réponses elles sont restées conventionnelles. C'est toujours la réponse de après une attaque, on engage l'armée, on dit il faut avoir le renseignement pour prévenir. Euh, pour l'instant, on ne voit pas les preuves. Et donc, du coup, euh, comme ce que font les rébellions ailleurs, comme ce qui se passe dans les guérillas ailleurs, euh, une petite unité qui vous prend par, par surprise, elle peut vous porter un coup fatal. Je pense que c'est un peu ce qui est arrivé à, l'armée tchadienne. Donc encore une fois, ça montre aujourd'hui la limite euh, de, la façon dont on a abordé ce conflit jusqu'à présent. Euh, attendre qu'il y ait des attaques puis réagir, euh, sont, ils sont à l'aise, ils vont dans une zone qu'ils maîtrisent très bien puisqu'ils sont restés depuis dix ans. On sait qu'ailleurs, euh, il y a eu des rébellions de ce type, mais qu'on pardonne pas raison. Les FARC en Colombie sont restés utilisant ont euh, de surprise contre l'armée colombienne. Ils sont restés pendant des décennies à faire des attaques et tout ça. Donc aujourd'hui, ça montre qu'on n'a pas la bonne réponse. Et il y a, des questions essentielles qui ça pose. Issa, l'avait évoqué. C'est par exemple la question de il arrive encore à se ravitailler en armes, dix ans après le début on n'a pas su identifier par quel canot il arrive à se, ravitailler pour bloquer ces canaux. Deuxièmement, il se ravitaille aussi en ressources humaines. Il continue. Il y a des moments où il y a eu quand même des, attaques euh, importantes des armées, que ce soit au Nigeria, au Cameroun ou au Niger, contre mhm. les éléments de Boko Haram. Il continue à agir. Ça veut dire qu'ils arrive arrivent encore à remobiliser des hommes autour de leur cause. Et donc, tous ces éléments montrent que dans cette guerre contre Boko Haram, on n'a pas réussi encore à porter le coup fatal. On n'a pas réussi à trouver la bonne stratégie. Encore une fois, j'ai l'impression, en même temps qu'on continue à dire que c'est une guerre qui n'est pas conventionnelle, je fais le constat que nos réponses, elles, elles restent encore conventionnelles. Donc ça veut dire qu'il y a péril à la demeure Mais évidemment, ça veut dire qu'on peut encore continuer à subir comme ce que l'armée tchadienne a subi, a subi récemment. Alors, on ne sait pas maintenant comment l'armée tchadienne va, va, va, va agir. Est-ce que euh, l'armée nigérienne a subi les mêmes attaques. Alors si ces deux armées euh, euh, agissent de façon forte, peut-être qu'ils vont se retirer vers le Niger, ils vont peut-être aller vers le Cameroun, mais en tout cas, ils sont dans un territoire dans lequel ils se retrouvent. Et donc, à mon avis, on n'a pas encore réussi. En même temps qu'on parle d'une armée coalisée dans cette région du lac Tchad, je pense qu'on n'a pas trouvé la bonne voie pour essayer de réduire Boko Haram et ce qui s'est passé montre qu'elle n'est pas affaiblie. Nous sommes au terme de ce forum de Studio Kalangou. Merci à nos invités Hassan Boukar de la radio alternative et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme de Studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h pour suivre le programme Jeune de Studio Kalangou sur nos radios partenaires. Il sera suivi du forum à Hausa et Anzarma. Merci aussi à la technique, côté son Issa Lawali et côté vidéo Ayuba Mustafa. Merci, au revoir.